Aujourd'hui, on est là pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Donc, le, thème de cette année, pour EIM en tout cas, c'est le changement climatique et migration. Le lien entre le changement climatique et la migration. Et aussi, euh, parce que c'est une question vraiment d'égalité de sexe. Donc, c'est vraiment, il y, a un lien entre... Euh, donc pourquoi les populations, et spécialement les femmes aussi, parce qu'elles migrent de plus en plus, pourquoi elles partent Les raisons de partir, souvent, c'est parce qu'il y, a, des problèmes liés au changement, changement climatique, liés à l'environnement. Donc c'est pour ça que c'était important aujourd'hui de venir et euh, de faire des activités sur ce thème-là. Donc là, on a eu un reboisement, donc euh, on a planté 40 arbres aujourd'hui, donc ce qu'on a pu faire avec le maire. Et dans la matinée, donc il y avait, on a nettoyé la plage de Tcharoy, donc vous pourrez voir des images tout à l'heure. Donc il y a eu vraiment euh, tous, tous nos migrants de retour avec qui on travaille. Donc on a un réseau de volontaires qui sont là, qui sont venus prêter main forte, mais aussi des migrants de retour qui ont été réintégrés dans le cadre de notre programme et qui ont tous aidé, aussi avec la population bien sûr, qui nous ont aidés à nettoyer la plage. Ensuite, il y a eu des formations, donc des formations en gestion de déchets, mais aussi en emballage. Donc c'est vraiment important qu'on forme et qu'on donne des compétences, qu'on renforce les compétences des femmes notamment sur les activités génératrices de revenus, mais aussi qui sont sensibles à l'environnement, parce que c'est très important. c'est pour ça qu'on voulait venir aujourd'hui sur ce site. Et Tiaroy, donc c'est vraiment une zone aussi euh, stratégique, parce que c'est une zone de haut taux de départ. Donc on a beaucoup de jeunes qui partent ici, donc c'est important de venir sensibiliser. Et ensuite, euh, cet après-midi, donc bientôt d'ailleurs, il y aura des projections de films donc sur la migration et sur le changement climatique et aussi bon, sur les violences faites aux femmes et sur les raisons de départ des, jeunes. Et euh, voilà, donc ce sera suivi de débats et donc des débats avec les communautés parce que tout ce qu'on fait en fait, le but aussi c'est d'engager les communautés dans la discussion, donc des migrants, des associations de femmes, tous les jeunes pour discuter aussi euh, donc, euh, problème de migration. boo ñëwee dëkk bu mel ni Thiaroye da danga doon gis que ne jigéen ñi dañu amoon doole lool ci économie tey bu ñu demee ba li nga xamante ni économie wàññeeku nag nga def corrélation bi ak li nga xamante ni. nature bi mu ngi koy dégradé woo da ngay rendre compte que aujourd'hui suñu bëggee renverser tendance bi il faudrait que ñu agir sur la nature loolu moo tax ñu jàpp que ne njàngat biñ ci def il faudrait que ñu poser ay acte acte yooyu moo ñu jëme tey ñu ne ñu jëmbat ay garab jéem a renforcer waat suñu environnement delloo ko na nga xamante ni noonu la meloon ñu di ko def nag ànd ci ak population bi parce que liñ ko waxee mooy que ne ñun autorité wala partenaire yi li ñu mën mooy poser ben acte mais joxe ay orientation mais mise en œuvre dañu gëm que né kenn mënu ko def lu population bu motax tay liguey bi nga xamanteni mom ñu ngi koy def moy wan leen li nga xamanteni mom moy yoon bi moy conscientiser leen par rapport ak rôle bi nga xamanteni ñom dañ ko wara jouer mais loolu du téré ñun dinañu jël sunu ay matuwaay ba def ay mécanisme de suivi yoo xamante ni dinañu permettre lii nga xamante ni def nañ ko fi tey ñu mën di ko topp di ko topp ba résultat bi nga xamante ni ñu ngi ko ci yaakaar ñu mën ko